le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio forum, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Amphani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel, Saï, Walam, Dogondouti, Madawa, Dakoro, Tanout Nyame Kwarategi, Gingimi, Kabalewa etc. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. L'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 définit l'opposition politique et tire les sources du chef du fil de l'opposition dans ses dispositions. Selon ses articles 2 et 3, l'opposition c'est le parti ou le groupe de partis qui se distingue du parti ou des groupes de partis qui constituent la majorité et qui, ou qui soutiennent l'action gouvernementale. À travers cette définition, la loi a donné un statut juridique à l'opposition en précisant également que lorsque les droits de l'opposition dispositions sont bafouées ou méconnues, elle a le droit de saisir les juridictions compétentes à travers le parti ou les partis qui la composent. La loi, dans ses articles 21, 22 et 23, le chef euh, Selon la loi, donc, euh, dans ses articles 21, 22 et 23, le chef du fil de l'opposition, c'est le responsable du parti de l'opposition qui a obtenu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ou le parti de l'opposition qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections législatives. La même loi précise que le chef du fil de l'opposition a rang des présidents des institutions de la République. Pour en parler de ce sujet, nous invitons Maître Lirwana Abdraman, juriste. Maître Lirwana, bonjour. Bonjour. Maître Moussi Boubacar, bonjour. Membre du Bureau politique national du Modenfa Alumana, parti du chef de file de l'opposition. Ousseini Salatou, président du parti RDN Labizé, parti de la majorité. Ousseini Salatou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce forum du studio Kalangou. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans ce studio de Kalangou. Revenons d'abord sur cette loi qui régit le statut de chef de file de l'opposition. Maître Lerouana, que pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette loi eh, Merci bien Radio Kalangou et merci bien également pour euh, tous les auditeurs euh, qui vont suivre euh, ce débat sur une question politique aujourd'hui. Oui parce que nous consommons beaucoup le politique au Niger. Alors, avant de rentrer dans le fond du sujet, là, je vais d'abord euh, soulever quelques observations, notamment la dernière que vous avez adressée au président du parti Labizé en tant que euh, euh, parti qui soutient la majorité pour dire que cette expression majorité dans ce sens est une aberration au terme de la définition de l'opposition que vous venez de dire tout à l'heure. Il y a nulle part et nulle part j'ai cherché a aucun texte qui parle de la majorité. La majorité c'est une expression à l'occasion d'un vote à l'Assemblée nationale et ce vote là n'est pas statique. La majorité peut changer en termes de vote à tout moment, au terme des dispositions de la Constitution qui dit que tout député élu est un député national et tout mandat impératif est nul. Donc, cette notion-là, elle a été prêtée politiquement. La vraie notion, c'est les partis qui constituent le gouvernement, le parti ou les partis qui constituent le gouvernement, ou bien le parti ou la coalition des partis qui soutiennent l'action gouvernementale. Et de ce point de vue encore, il y a une équivoque à lever. Donc, ce qui veut dire que la majorité dont on parle là, sa vraie notion en droit, c'est les partis, le parti ou les partis constituant le gouvernement ou soutenant l'action du gouvernement. Et soutenir l'action du gouvernement à travers la loi suppose que on peut soutenir un gouvernement sans être à une nomination quelconque. Donc, appartenir au groupe ou au parti qui constitue le gouvernement et qui soutient du moins le gouvernement ne peuvent pas dire nécessairement participer à la gestion du pouvoir. Ça, c'est un. Deuxième équivoque, c'est celle des non-affiliés. Et tu as vu que euh, cette notion nulle part n'apparaît et ça n'évoque nulle part ce que c'est que les non-affiliés, qui ne sont que des constitutions à travers l'opposition. Sinon, ceux qui se disent aujourd'hui non-affiliés au Niger sont considérés dans l'opposition. C'était des retranchements qui n'ont rien à voir euh, euh, juridiquement. Parce que de ce point de vue, les non-affiliés ne peuvent pas se prévaloir en justice en tant, en tant que non-affiliés. Mais en tant que parti de l'opposition, ils peuvent le faire tel que tu avais donné les prérogatives des partis politiques de saisir les juridictions lorsque leurs droits sont méconnus. Ensuite, plus loin que cette loi, la Constitution elle-même reconnaît le chef de file de l'opposition et de ce point de vue, il joue un rôle constitutionnel en ce sens que l'article 69 de la Constitution dit que le Conseil de la République est composé du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des anciens présidents de la République, des anciens chefs de l'État et du chef de file de l'opposition. Donc il tire même pas sa source de la loi dont il vient de citer, qui vient d'organiser et puis euh, distinguer, mais il tire sa source de la Constitution, la loi qui se superpose à toutes les autres lois dans le pays. Ensuite, cette loi avait clarifié parce que la loi ne fait pas des détails, elle, elle, pose des grands principes et elle mm. renvoie aux lois pour essayer d'expliquer. Parlant du chef de file de l'opposition, le chef de Chef de l'opposition, c'est un statut intitulé personnel, c'est-à-dire c'est un statut qui vise une personne. Il est différent de l'opposition en tant que personne morale. Et à travers la définition, on dit que c'est le premier responsable du parti qui obtient le plus grand nombre de députés. Ou, à défaut des députés, le parti qui obtient le plus grand nombre de voix aux élections législatives. Et vous voyez que ici, la notion du chef de file de l'opposition tire sa source des élections législatives et non des élections présidentielles. Et la loi fait une distinction entre une, une opposition parlementaire ou une opposition non parlementaire. Une opposition parlementaire lorsqu'elle a des députés et une opposition non parlementaire lorsqu'elle n'a pas de députés. Donc de ce point de vue, la loi vise une personne, un titre personnel. Et raison pour laquelle, et, pour finir sur cette question, et qui va ouvrir encore le débat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse où ce rôle constitutionnel n'est pas exercé, compte tenu du fait que celui-là à qui la loi a attribué cette prérogative-là n'est pas présentement physiquement ici au Niger. D'accord. Maître Mossi, Maître Leroy vient de dire que le chef de file de, l'opposition est, personnel. Est-ce que vous l'entendez comme ça Personnel, euh, personnel, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Euh, je sais simplement que la loi, en même temps qu'elle a défini le statut de l'opposition, ce qui est mm. une belle chose, une bonne avancée euh, en termes de gouvernance législative démocratique, parce que il faut quand même reconnaître que ce n'est pas tous les pays francophone, de notre espace francophone, j'allais dire, qui dispose d'une loi qui détermine, qui organise, qui a défini le statut de l'opposition. C'est une bonne chose. Et donc, après avoir défini ce que c'est l'opposition, le rôle de l'opposition, on a aussi défini qui peut être le chef de l'opposition. Ce n'est pas, je ne trouve pas que c'est personnel parce qu'on n'a pas nommé un tel elle reste générale en ce qu'on a simplement dit que peut être chef de l'opposition celui qui détermine, qui euh, répond à tel critère, c'est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de députés euh, dans le groupe de l'opposition ou celui qui a le plus grand nombre de, voix. Donc, ça peut être X ou Y, l'essentiel c'est que ce X ou Y est, euh, répondre aux conditions. Dans ce sens, je ne pense pas que c'est personnel en tant que tel, parce que ça aurait été personnel, on allait dire que c'est un tel. En ce moment, ça allait être personnel. Maintenant, pour ce qui est de l'impasse euh, constitutionnelle, je ne pense pas que c'est pas constitutionnel, mais c'est du fait des hommes. Euh, au Niger, les gens ont souvent l'habitude de dire qu'on a des problèmes de texte. Non, on n'a pas de problème de texte. On a les meilleurs textes de la sous-région, du point de vue de la Constitution ou comme du point de vue de la loi. Certains pays avec lesquels nous partageons la même tradition francophone sont à leur deuxième ou troisième constitution. C'est le cas du Bénin, c'est le cas du Togo. Pourtant, ces pays ne connaissent pas autant de crises que nous. Ça veut dire que ce n'est pas le texte, c'est lié à la pratique, à l'utilisation des textes. Il n'y a pas de meilleur texte. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Le Bénin a, le même, a même euh, une constitution de type présidentiel. ce n'est même pas parlementaire. Il s'en accommode. Il, ça ne semble pas une dictature. Mais au Niger, au Niger, on ne peut pas oser avoir parce que le comportement, la radicalisation, l'esprit des gens est tel que tout celui qui a le pouvoir au Niger, compte tenu de notre esprit, dans un type présidentiel, est tenté et sera amené à abuser. Parce que voilà même un, type de constitution euh, semi-présidentielle qui crée un certain équilibre entre les pouvoirs. Mais voilà que, ah, même avec ça, on a des problèmes. Imaginez si tout doit être concentré entre les mains euh, d'un seul homme. Ça sera difficile. Donc, je pense que, euh, contrairement à ce que dit euh, Maître Lebrun, hein, c'est la dynamique, hein, c'est une question d'opinion, ce n'est pas pour le contredire, mais mon avis, c'est que ce n'est pas aussi personnalisé que ça. Ousseini Salad, selon vous, quelles sont les prérogatives et les droits du chef de file de l'opposition Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas beaucoup m'appréhender sur les textes, mais euh, euh, je vais beaucoup plus m'appréhender sur l'expérience, parce que j'ai vécu cette expérience pendant, en tout cas, 5 à 6 ans. Hein, peut-être même 7 ans, parce que depuis 2010 jusqu'en 2016. Et il faut faire un peu d'histoire. Je pense qu'il faut remonter qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a motivé la création d'un statut de chef de file de l'opposition. Si vous vous rappelez, pendant le mandat de la Ve République de Tanja, le président Issouf avait des problèmes à rencontrer le président euh, Tanja. Parce qu'il y avait, en tout cas, aucune condition formelle qui, obligeait Tanja à le recevoir. Je ne vais pas rentrer dans santé détails, mais je sais que, en tout cas, euh, le président Issouf a eu des problèmes, des problèmes quelquefois quand il voulait rencontrer Tanja. Même si, bon, euh, en tout cas, quoi qu'on dise, Tanja a été démocrate et il y a eu des réunions, des réunions, des rencontres périodiques qui se sont passées qui n'était pas peut-être au goût de certains, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Parce que eh, quand ils se sont rencontrés Tanja, les gens les gens de la majorité à l'époque se disaient, mais qu'est-ce que c'est 10 Et les gens de l'opposition aussi se disent, mais qu'est-ce que c'est 10 Quoi qu'il en soit, ça a permis, en tout cas au niveau de la nouvelle constitution, de dire, ah, il faut formaliser en tout cas le statut euh, du chef de file de l'opposition et ce qui a conduit à la création d'un statut chef de file de l'opposition. Malheureusement, très tôt, les gens se sont arrêtés en cours de route. Comme aussi le dit, c'est vrai, les textes n'ont pas de problème, il y a des insuffisances. Ah, dans la pratique, les gens se sont rendus compte qu'il y a des insuffisances. Mais il y a aussi notre comportement euh, qui n'a pas permis véritablement à ce que euh, le chef de, file de l'opposition puisse juger. N'oubliez pas, il y avait un certain nombre de rancœurs, un certain nombre d'incompréhensions. Et les gens avaient oublié que le chef de file de l'opposition, ça ne se réservait pas à une personne, mais c'est un poste impersonnel, tout le monde pouvait l'occuper. Moi, je n'aime pas en parler, mais je me rappelle euh, avec beaucoup de peine du débat qui a eu euh, au niveau de l'Assemblée nationale quand il s'est agi, en tout cas d'apprécier et de donner au chef de file de l'opposition de l'époque euh, un certain nombre d'avantages. Je sais vraiment, je n'aime pas remettre le couteau dans la plaie, mais je sais que le président Seigne, tout juste après le débat, m'a appelé, me dit n'accorde pas d'interview, ne fais pas de réaction relativement à ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ça m'a fait mal parce que c'est comme si c'est contre la personne de Saïd que ça se faisait. Or, Seine n'est pas euh, n'a pas décidé d'être opposant et ne veut pas rester éternellement opposant. Hein? Mais les gens l'ont ôté. Ça, je vous le dire de manière claire et nette, ce n'était pas du fait du président Issoufou. Parce qu'il a eu à, rencontrer le président Séni. Il a eu à rencontrer, comment on appelle ça, euh, euh, ses services avec les services, le directeur du cabinet de Séni. Ils ont arrêté un certain nombre de choses qui ont passé en conseil des ministres, mais une fois arrivé à l'Assemblée, tout est tombé à l'eau jusqu'à ce que les gens sont partis jusqu'à recours. On a demandé un arrêt ou un avis de la Cour constitutionnelle et complètement, ça a été dépouillé. Donc il n'a que le statut aujourd'hui de chef de file. En il n'a pas d'avantage. Euh, il y a les avantages, il y a les avantages. Mais quel avantage Il n'a pas de euh, cabinet. Il n'a pas de cabinet. Hein. alors que dans le texte que nous avons eu à proposer, parce que ce n'est pas, ce, n'est pas le code, euh, l'ordonnance ou bien la constitution qui va déterminer dans, la globalité ce qu'il y a, il faut, comment prendre un décret hein, pour mettre en œuvre tout cela. Mais bon, les gens se sont limités seulement à des petits avantages. Euh, et je me rappelle très bien, il y a quelqu'un qui disait, euh, permettez euh, comme Saint-Germain, je vais pas donner son nom, comme saint un Soreille, il dit il faut donner au Soreille un peu de carburant pour aller à Tel Aviv. Vous voyez combien c'était restrictif. Les gens limitaient ça à la personne de Seigneur. Il ne faut pas lui donner le moyen, il ne faut pas lui donner un cabinet parce qu'il aura des privilèges protocolaires et il aura des gens qu'il va employer et sera fort. Alors que ce n'était pas intéressant, ce n'est pas l'élément intéressant. C'est pourquoi, en son temps, nous nous sommes limités au texte. Qu'est-ce que, quel avantage nous, nous donné ce texte-là Et quand vous voyez les, droits et les devoirs de, l'opposition, nous avons cherché à innover, en tout cas en notre temps, pour nous appliquer. Parce que rappelez-vous, lorsque le président Sen avait. Eh, eh, arrivé au pouvoir et que Sen a reconnu ce détail et dit que nous eh, va l'aider pour tout ce qu'il fallait de bien dans ce pays et on ne fera rien, l'opposition ne fera rien en dehors de la loi. Donc c'est pourquoi l'innovation que nous avons apportée, en tout cas, notre, notre, position, c'était l'appréciation comme je stipule les textes, le, le, le, suivre l'action gouvernementale et le cas échéant les critiquer. Et je me, je, me réjouis qu'il y a en tout cas un mois de cela, une télé a eu à faire un commentaire pour dire que mais non, on a plus le contribuant. Nous nous sommes cantonnés uniquement au texte pour apprécier. Et ça gênait. Parce que nos contribuables c'était des événements. Quand ça arrivait, tout le monde attendait. Mais mm. au sein du gouvernement, chaque ministre craignait qu'est-ce que le chef de file allait dire sur lui. Est-ce que vous voyez Donc, nous sommes limités au texte. Les textes nous donnent un certain nombre d'avantages. C'est l'opposition, c'est les utiliser, ce sera intéressant. Mais compte tenu de l'expérience, je pense qu'il y a des insuffisances. Il faut revoir les textes. Parce que préparer des contribuables, préparer, des, comment euh, avoir accès à des documents, tout ça n'est pas facile. Quand nous écrivons au ministre, pour les demander, comme le, dit le texte, parce qu'on a dit on a l'opposition a droit à l'information. Quand nous écrivons au ministre pour les demander des informations, ceux qui ont vraiment une certaine courtoisie nous répondent pour nous dire que tout a été dit dans, notre bilan. Mm. Sinon, les autres ne nous répondent même pas. Je pense qu'il faut revoir tout ça là et permettre au, cabinet, euh, au chef de file de l'opposition d'avoir un cabinet en bonne et due forme. Nous sommes inspirés. Le président Sen avait des rapports avec le chef de file de l'opposition du Burkina et nous avons vu au Burkina ce que le monsieur a. Il a un cabinet en bonne du fond, il a un budget. Ce n'est pas, c'est la Constitution, comme il l'a dit, c'est la Constitution qui l'a prévu, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un. Tout ça tombé. Et j'aimerais répondre parce qu'il y a un débat entre les deux, les les les hommes de droit, <laughs> à savoir est-ce que c'est un titre personnel ou bien. Euh, je pense qu'il faut. On dit le chef de de l'opposition politique est le premier responsable du parti, de l'opposition, ayant le plus grand nombre cela voudrait dire qu'il n'y a pas de débat. Quand on était à l'opposition, c'était Selomaro, Maro. Le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est Hamamadou. Maintenant, la question qui se pose, si c'est ça, et c'est là les insuffisants Si le, premier responsable n'est pas là, nécessairement, le parti continue à vivre. Est-ce que son, intérimaire ne doit pas euh, assurer son rôle de chef de file de l'opposition C'est ça le débat. On, va, revenir sur cette question d'intérimaire. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut revoir justement ces, textes Sur un point d'abord, sur le problème que nous, nous, sur lequel nous faisons face aujourd'hui. Le remplacement. Parce que les textes n'ont pas prévu les modalités pour assurer l'intérim ou, voir, ou bien à la vacance. Pourquoi je le dis Parce que je reviens encore sur la question, hein, cher confrère, aussi, on n'est pas en contradiction sur euh, la question. Quand je parle du statut institut personnel. Ce que je veux dire, les prérogatives du chef de file de l'opposition ne sont pas exercées par un groupe de personnes. Donc j'ai dit que c'est personnel en ce sens que c'est un individu qui les exerce. Sinon, quand on avait élaboré le texte personne ne peut présager d'avance qui peut être chef de file de l'opposition. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mm. Mais le fait de jouer ce rôle-là, ce n'est pas l'opposition dans sa globalité. La loi a visé une personne qui va exercer ce rôle-là. Donc c'est en ce sens-là que j'ai dit que le rôle du chef de file de l'opposition est un rôle entité personnel. Et dans ce sens-là, l'actuel président de la République, il en a usé. Rappelons-nous autant de, de euh, comment on appelle ça, de Tazar Kantanja a convoqué le, le Conseil de la République et que le chef de file de l'opposition a boycotté. Mais il a paralysé en ce moment. Il avait paralysé. En ce qui concerne les avantages, moi je pense que la loi a déjà donné les références. Il ne faut même pas aller trop loin dans les débats pour chercher. Du moment où elle dit qu'il a rang du président des institutions de la République, donc le barème de référence, c'est de voir euh, par rapport, euh, parce qu'en termes protocolaires, euh, il, il, est là, il, est placé dans la même loge que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Donc c'est par rapport à ces statuts de ces, de ces présidents des institutions, peut-être que le décret qui va fixer eh, les différentes indemnités et le soutien qu'il faut apporter au chef de file de l'opposition doit prendre référence de, ce rang protocolaire. D'accord. Maître Mossi, sommes-nous aujourd'hui dans une situation de, vide juridique euh, à vrai dire, ce n'est pas une question de vide juridique, c'est une question c'est une mauvaise interprétation de la loi. Salatou l'a dit tout à l'heure que le chef de file, voilà celui qui doit être le chef de file de l'opposition. C'est le premier responsable du parti qui a le plus grand nombre de, députés à l'Assemblée nationale. Or, ce monsieur, il peut avoir, même en cas d'absence, il a un intérimaire. Donc, ce que la loi n'est pas, n'a pas interdit. sein du parti Oui, au sein du parti. Ah ce que la loi n'a pas interdit est permis. Je disais que ce <laughs> n'est pas des problèmes de texte que nous avons, mais c'est des problèmes d'interprétation et de comportement des hommes. C'est vrai que la loi, comme l'a dit Maître Loana, la loi n'a pas prévu tout ça. Mais le problème, c'est qu'une loi ne peut jamais tout prévoir. On va changer, changer, changer jusqu'à une fois notre constitution. Quand on ne l'applique pas de bonne foi, on aura toujours des difficultés quelque part. Parce que les gens tirent trop sur les textes. Chacun qui est, tout celui qui a une parcelle de pouvoir tire trop là-dessus, il n'y a pas de consensus on ne peut pas tout prévoir dans une constitution, même dans une loi, à plus forte raison dans une constitution. Même si on change, on prévoit un mode de, euh, désignation d'un intérimaire, on aura des problèmes parce que c'est notre nature. Mais sinon, Hamadou euh, n'est pas là, mais son parti fonctionne bien. Le premier responsable du parti après lui, il y a un vice-président qui est là. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis même la situation de fait qui a été créée. Ce n'est pas une situation légale, c'est une situation de fait. Et si la loi n'a pas prévu le cas où, s'il n'est pas là, on doit pourvoir. Mais la loi n'a pas non plus dit que s'il n'est pas là, il doit y avoir un blocage. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président de la République à débloquer ses fonds destinés, ses avantages destinés aux chefs de file de l'opposition Rien ne l'interdit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Amamadou ne joue pas de ses, de ses droits. Je l'affirme. La preuve, c'est que, même pas Amamadou seulement, parlons d'une manière générale. Ne personnalisons pas. C'est pour ça que j'ai dit que la loi n'a pas été personnalisée. Il a raison de l'interprétation qu'il a donnée. Sauf qu'aujourd'hui, il est chef de file de l'opposition. Euh, il a été empêché de fait. Parce que tout le monde sait qu'il est en exil. Tout le monde sait que ce n'est pas par démission. Tout le monde sait que ce n'est pas volontaire. C'est les circonstances qui l'ont amené en exil. Mais si lui est en exil, l'opposition n'existe pas pour, existe pour autant. Il existe bien une opposition qui a du mal. Euh, par exemple, la loi a dit que l'opposition a droit à l'accès aux médias publics. Même si Haman n'est pas là, l'opposition, le groupe, de partis qui compose l'opposition existe. On fait une déclaration. Il n'y a pas plus de trois jours, l'opposition s'est réunie pour faire une déclaration. Est-ce que vous avez vu cet élément-là passer sur les chaînes publiques Donc, ça, ne veut pas dire que ce n'est pas défaillance de la loi. C'est la défaillance par le comportement des hommes. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas. Les gens créent les vides juridiques et on dit, bon, il n'y a pas On tire là-dessus. C'est ce que je disais que dans certains pays, nous sommes à leur deuxième constitution. Nous sommes à la septième. Et même celle-là, on dit qu'il faut la changer. Ce n'est pas des vides juridiques, c'est des comportements que nous, nous devons changer nos comportements. D'accord. Hussein Salatou, est-ce que, l'absence de Hamadou, est-ce que ce rôle de chef de file de l'opposition peut être véritablement joué aujourd'hui Je parle toujours par expérience. Hein. Quand vous reprenez l'opposition, il y a toujours une certaine dichotomie. Une dichotomie relativement au chef de file de l'opposition qui est là, mais au niveau de la structure créée au nom de l'opposition, il y a toujours un responsable qui n'est pas nécessairement le chef de file de l'opposition. Vous prenez, euh, quand il y a eu, on était à l'opposition, il y avait saint Omar, chef de file de l'opposition, mais en réalité, ce n'est pas lui le président, euh, ce n'était pas lui le président ni de l'ARDR, ni de, comment, de la COPA, ni du FPR, etc., etc. Et à l'absence euh, de, quand on veut s'adresser aux autorités, quand le président Sain est là, c'est lui qui écrit en tant que chef de file de l'opposition. Mm. Mais s'il n'est pas là, en réalité, c'est le responsable euh, de la structure de l'opposition qui est là, qui, qui, écrit. Et la lettre est acceptée en bonne et due forme. Ça veut dire que le gouvernement ou les autorités en place reconnaissent cette personne-là. Et, et, je pense que même aujourd'hui, le président Ham n'est pas là, mais les correspondances qui sont reçues au niveau, en cas, euh, des, autorités, notamment la primature, sont écrits et signés par euh, le président Max, qui, n'a même pas de député, mais qui est le responsable formel de la structure de l'opposition FDDR. Est-ce que vous voyez Donc, c'est pourquoi j'ai dit il y, a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire Si les autorités reconnaissent de facto, ou, même c'est des jurés, hein, <laughs> que, lui, il représente l'opposition, il peut parler au nom de l'opposition. Alors, pourquoi ne pas réaménager les tests pour dire bon, à l'absence de, tel, est-ce qu'il ne faut pas tel Moi, je dis qu'il y a des insuffisances relativement à tel. Parce qu'il y a des insuffisances comme il n'y a pas d'insuffisance. Si nous sommes dotés de bon sens et de bonne foi, il n'y a pas de problème. C'est clair et net. L'opposition, à son sens, organisé. Elle désire que c'est un tel qui est le chef de file. En attendant, ça ne gêne pas. je ne vois aucun problème. Mais malheureusement, on ne le veut pas. Nous-mêmes, on ne le veut pas. Nous jouons à l'hypocrisie. Comme si, c'est ça le drame. Moi, ça me fait mal. Comme si, bon, euh, c'est un tel, il faut le faire contre un tel et que tu ne peux pas être là. Oh Dieu nous a montré au Niger là que la, la route tourne. Eh, est-ce que vous voyez et je pense qu'il faut s'arrêter un peu. Il faut véritablement s'arrêter un peu. Mais j'ai dit, euh, le, Rwanda, moi je pense qu'il y a, en tout cas, euh, des insuffisances qu'il faut corriger parce que les Nigériens, la, loi, là, il faut les parler terre à terre. Nous avons cette manière d'interpréter les textes de manière subjective, même si nous voyons la vérité à tel enseigne qu'il faut dire les choses terre à terre pour que vraiment ça soit clair. Et c'est le cas, en tout cas, euh, au niveau du statut du chef de file de l'opposition, il faut spécifier. Je pense que si le chef de file n'est pas là, son rôle doit être assumé, ses avantages doivent revenir à l'opposition. Moi, je le pense sincèrement et créer les conditions pour que même si le responsable n'est pas là, euh, il faudrait que quelqu'un là. Imaginons que le, chef de file de l'opposition meurt. Ça peut arriver, non euh, ça, veut dire que ça va s'arrêter. Il, il, va avoir l'intérimaire qui va être là. C'est le vice-président. En tout cas, le parti va s'organiser, donc il va l'assumer. Donc, de son vivant aussi, il peut s'absenter. S'il est absent, mais il faut nécessairement que quelqu'un assume. Mhm. Est-ce que vous voyez Cette absence-là peut être en cours à, moyen ou à long terme. Est-ce que vous voyez Moi, je pense qu'il faut, nous faut revoir véritablement les textes. Mais je l'ai dit et je le répète, il faudrait que nous soyons moins, moins méchants. Parce que nous sommes méchants. Nous oublions que demain, ça peut être nous. Après demain, ça peut être D'accord. C'est ça le drame des Nigériens. Et je pense qu'il faut véritablement évoluer. Euh, nous avons eu le courage de donner un statut au chef de file de l'opposition. Nous avons eu le courage de le reconnaître. Le président de la République le rencontre. Je pense qu'il faut lui donner ses avantages. D'accord. Il faut le lui donner. D'accord. Maître Lirouana, est-ce qu'il n'y a pas violation de, la loi si Hama n'est pas mis dans ses, dans ses droits aujourd'hui? Absolument, absolument oui. Et moi, je pense que au-delà même, c'est-à-dire, ce ne sont pas les petits avantages euh, qui sont les plus importants, qui n'ont pas été donnés. C'est-à-dire c'est le, rôle même qui est constitutionnel là, qui n'est pas exercé. C'est ça qui est le plus grave. La preuve aujourd'hui, il, ne, reçoit rien, mais quand même il est là, il vit. Mais le plus important, c'est le, rôle même qu'il doit jouer là. C'est ça qui est le plus important et qui n'est pas joué. Ce qui veut dire qu'il y, y, a un dysfonctionnement dans la marche des, principes démocratiques qui sont constitutionnels, comme je viens de le dire. Et également, je suis d'accord avec euh, mettre aussi que les textes ne peuvent euh, jamais suffire parce que les États-Unis eux-mêmes, ils sont à leur première conscience en dehors des amendements. C'est une question de bonne foi et de bon sens. La coutume, elle est plus que le droit. Le président te vient de le dire, que lorsque le chef de file de l'opposition n'est pas là, c'est le, le, le, président du regroupement de l'opposition en tant que personne morale qui, qui écrit et on, on, reconnaît. Donc si on le reconnaît, cela veut dire que le chef de file de l'opposition est là, il faut lui, il faut lui débloquer tous ses avantages. Et lorsque cette ordonnance a été élaborée, personne ne savait qui peut être chef de file de l'opposition. Donc moi, je reviens toujours sur euh, et, le rôle même constitutionnel que le chef de file de l'opposition. que c'est comme s'il y a une, des institutions de l'État qui, est en dysfonctionnement. En dysfonctionnement, parce qu'il ne faut pas lire euh, les dispositions des textes comme ça, là, et de façon brute. Il faut retourner à l'exégèse. Lorsque cette ordonnance a été élaborée, l'esprit, les terre qu'est-ce qu'il entend au fond C'est ça. Le fait d'avoir érigé le chef de file de l'opposition à un du président des institutions de la République, moi, à ma sens, ça veut dire tout. Ça veut dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est pour cela que ça doit être respecté. Les avantages là, c'est un décret qui doit, se, qui doit et, euh, euh, euh, dire ça de façon détaillée. Le décret même peut prévoir ces conditions-là. Je l'ai dit dans l'écrit que j'ai fait que le chef de file de l'opposition peut décéder. C'est un cas qu'il a dit. Il peut être dans un cas d'empêchement, couché à l'hôpital. Tout ça, là, on a besoin, comme déjà la pratique nous a enseigné, le bon sens aurait voulu que cette coutume-là soit acceptée. Parce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Elle a une constitution coutumière. C'est-à-dire, c'est l'ensemble et et des usages et des pratiques de la tradition qui fait marcher la Grande-Bretagne. Je pense que c'est une question de bon sens. Et puis, comme mes frères l'ont dit, aujourd'hui, si ce n'est pas X, demain, ça sera Y. Parce que si le, statut de chef de file de l'opposition, et, ce n'est pas une panacée, celui qui est chef de file de l'opposition, son aspiration, c'est d'aller au pouvoir. Et c'est quelqu'un d'autre demain qui va venir assumer ce rôle-là. Moi, je pense que le plus important, c'est de, de, situer, c'est de se situer dans le cadre de la légalité pour respecter et le chef de file de l'opposition et lui accorder tous les avantages et lui permettre surtout d'exercer ce rôle-là dans, dans la liberté et le respect des droits de l'opposition, comme on l'a dit, parce que c'est ça qui constitue la balance démocratique. Ici, l'esprit du législateur a voulu faire du chef de file de l'opposition le président ou le chef de file de ceux qui ont perdu les élections. Et je pense que toutes ces considérations-là, c'est dans un cadre d'apaisement. Avant, quand le président de la République Tanja il n'y avait même pas ce statut-là élaboré, mais ah pourtant ça se faisait, il le, il le, recevait. Donc je pense que on doit tirer beaucoup de nos, de nos textes qui ne sont pas insuffisants. Tout simplement, il s'agit de faire cadrer les choses. Moi, quand j'ai écrit ce texte-là, c'est parce que tout simplement j'ai constaté un dysfonctionnement, que le chef de, file de l'opposition doit être là physiquement pour assumer ses prérogatives constitutionnelles. D'accord. Voilà un ce que je voulais soulever. D'accord. Maître Moussi, on a l'impression comme si le, régime actuel est en train d'oublier carrément le rôle justement du chef du fil de, l'opposition. Comment est-ce que vous vivez cette situation Ce n'est pas seulement euh, une impression, c'est une réalité. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, comme euh, tout le monde le sent, on ne sent pas une opposition formelle qui a un statut, qui exerce ses fonctions en fonction de son statut, qui a les prérogatives que lui concède la loi, qui a un budget, qui a un salaire, qui véritablement existe comme institution, parce que euh, l'opposition, le chef de file de l'opposition, c'est comme une institution, ça a un rang de chef de président d'institution. Donc, sans être dit formellement que c'est une institution, c'est tout comme, parce que l'opposition doit être même plus active que certaines institutions. On a aujourd'hui des, des, institutions de la République qui ont une autonomie administrative, mais qui euh, n'existent même pas, pour autant qui, qui sont beaucoup plus entretenues, à l'égard desquelles on donne plus de budget parce que on les, sont Alors que l'opposition, qui a également un statut, n'existe plus. Euh, l'autre l'a dit, mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, qu'au temps de la, dans la Ve République, pour ne pas désigner les nommément, au temps de la Ve République, le chef de file existait. Et il se sentait, c'était un plaisir, c'était un honneur. C'était vraiment, euh, il était content, tout le monde, le chef de file de l'opposition est reçu euh, à ses audiences mensuelles. C'était une bonne chose. Ok, on se tapait même la poitrine, on est de l'opposition, c'est une bonne chose. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, où ça existe, où ça a été formalisé, on fait tout pour que l'opposition n'existe pas, pour mettre à faire en sorte que quand tu es à l'opposition, tu es traqué. La moindre manifestation de l'opposition, à la moindre manifestation, on considère que ce sont des terroristes. Je me rappelle de la première manifestation, d'une des manifestations, j'étais à l'époque à l'Assemblée. Quand euh, l'opposition avait voulu manifester, ils ont été traités comme des, euh, comme des, comme des terroristes ils ont été captés, capturés pour être amenés à, l'école de police. Et de l'école de police, la garde à vue est dépassée. Le délai de 48 heures renouvelable une fois s'est dépassé. Ils ont, on, on leur a appliqué la procédure, euh, de, les lois antiterroristes pour les garder plus longtemps. Donc, vous êtes. Alors que la loi dit, tout l'article 17 du statut de l'opposition dit que toute entrave ou tentative d'entrave à l'exercice des droits et des activités légales des partis politiques de l'opposition par un responsable administratif, un individu ou un groupe est interdite interdites. Mais aujourd'hui, on voit combien de marches, de propositions, de déclarations de marches sont interdites. Donc, ça veut dire que, pas seulement, ne parlons même pas du chef, l'opposition en tant que telle est entravée dans toutes ses activités. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas légal. Alors qu'il y a même une loi qui réprime les ordres manifestement, l'exécution des ordres manifestement illégal. illégales. Aujourd'hui, à longueur de journée, on ne fait qu'assister à l'exécution des ordres manifestement illégales. Tout ça pour empêcher. On profite de cette euh, de psychose euh, de terrorisme que je pense qui, qui, à la limite est même inventé à dessein ou en tout cas euh, arrange le pouvoir pour interdire toute forme de manifestation. Ça, c'est plus qu'une impression. On se rend compte véritablement que c'est le pouvoir. Et la situation actuelle arrange le pouvoir. Le fait d'écarter ou d'empêcher au chef de file de, l'opposition, il, ce n'est pas des textes qui l'empêchent, c'est le comportement des gens. C'est de manière intentionnelle qu'on fait en sorte que l'opposition n'est pas un droit d'existence, n'est pas un signe d'existence. D'accord, d'accord, maître. Hussein Salatou. avant de donner la parole à Hussein, je vais profiter pour euh, poser une question sur un aspect qui n'a pas été abordé en termes de droits de l'opposition. C'est la subvention d'État pour savoir avec le président la visée, où est-ce que nous en sommes par rapport à ce soutien que l'État doit amener aux partis politiques, notamment la subvention. Eh oui, pour aller dans le même sens que toi, vous voyez bien que ce n'est pas un problème de texte. Même lorsque les textes disent voilà, voilà formellement, il ne ne le pas. Une fois qu'il nous disent, lui, qu'est-ce qu'il a reçu de, en termes de cette subvention, laquelle quel est le travail qu'il a fait à travers la loi de, la formation de ses militants et, Parce qu'aujourd'hui, il est avec le pouvoir Non, pas, même pas avec le pouvoir. <laughs> je lui pose la question en tant que président. Moi, je ne suis pas président d'un parti et je ne suis pas cette question. Je vais répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Euh, avant de répondre à, à sa question, j'aimerais dire que moi, je suis de ceux qui pensent que l'essence de la démocratie, c'est vraiment l'essence une majorité de l'opposition. Mm. Inévitablement, il faut que l'opposition existe. Mais il faut tous, tous les hommes politiques, tous bords confondus, repenser nos comportements. C'est nécessaire. Je parlais tout de suite de méchanceté, je le dis et je l'affirme. Nous sommes méchants non pas méchant à l'égard des autres, hein, mais méchant à l'égard de mm, nous-mêmes. on a demandé au philosophe de qui as-tu peur Il dit de moi-même, en tant qu'être humain. Quand nous posons certains actes, nous oublions que nous le posons à l'égard de nous-mêmes. Et c'est ça le drame. Et notre attitude amène à banaliser le pouvoir d'État, à banaliser nos institutions. Quand en, 2011-2012, on a refusé euh, au chef de file de l'opposition ces avantages-là. Moi, ça m'a fait rire. Mais comment on dit Le texte le dit, le chef de file de l'opposition a un rang de président d'institution. Ça veut dire que si le président d'institution, comme la loi a tout de suite, il a un certain nombre d'avantages, véhicule petit patin. Parce qu'on aimerait qu'il assiste à des manifestations. Et on aimerait que tout gouvernement, il prend son petit véhicule, <laughs> peut-être s'il y a une 4x4 euh, euh, tercelle, ou bien c'est une petite tercelle, parce que l'État, on a refusé à ce qu'on lui donne des avantages recevoir des personnalités, s'il se trouve dans un célibatum, c'est là-bas qu'il va les recevoir parce qu'on a refusé qu'il est, comment dirais-je, <laughs> euh, un Je ne sais pas si les gens ont mesuré ce qu'ils ont fait en 2011. Mais comment que je vais dire, mais c'est dramatique ce que les gens sont en train de faire. Parce que ceci est certain, ce n'est pas un titre personne. où moment ne va pas rester chef de file de l'opposition. Ça va changer un jour. D'accord. Maintenant, par rapport Donc, à cette question de subvention. Non, j'arrive. Je vais répondre à cette question. Donc, il faudrait que vraiment nous nous arrêtions un peu. Lorsque nous faisons certains actes, nous disons, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois le faire contre X ou Y? Ah ou bien, au-delà de cette personne-là. Il faut, il faut savoir faire un dépassement de soi. Et, j'aimerais dire que moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Pas bah, le chef de file de l'opposition, de file de l'opposition. Où est le chef de file de l'opposition Quel avantage là Où est le, bureau du chef de file de l'opposition Quand même si Hama aujourd'hui à Niamey, je vais rendre un courrier, soit je vais au siège de Lumana, ou bien à son domicile. Mais euh, c'est pas ça l'institution. On a dit une institution. Donc il faudrait que nous nous arrêtions. Moi, je dis, dans, dans le cadre de la réforme des textes là, nous avons proposé, comment euh, de revoir le texte de cette de l'opposition. Mais euh, on, avait retiré parce que l'opposition n'est pas là. Les gens vont tout de suite commencer à crier pour dire qu'on veut changer le statut. Mais c'était positivement. C'est pourquoi je demande à, mon ami, euh, moi aussi, qu'il faut revenir autour de la table parce que la réforme des tests là, elle est nécessaire pour beaucoup de choses. vous n'êtes pas d'accord, on n'a pas Maintenant, relativement, relativement aux subventions. Les subventions sont encadrées par les textes. De manière claire et nette, on dit quel est le parti euh, qui doit avoir des subventions, c'est les gens qui ont des élus. Mais la destination et l'utilisation des subventions aussi, aussi euh, comment dirais-je, euh, euh, euh encadré. Si vous avez des subventions, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut les justifier. Si vous n'avez pas les subventions l'année qui suit, c'est que vous n'avez pas de subventions. Et c'est le cas qui est entendu de... Moi, je n'ai pas de subventions. On a créé les conditions même de nous accorder, on ça a été adopté au CNDP, les partis politiques qui ont au moins participé à des élections, parce que tu peux participer à des élections et ne pas avoir des élus. Au moins de les accorder un pourcentage. Eux, les grands partis, là, les Moussi, les MNSD, les Lomana, le PNDS, ils ont caché le texte là. Jusqu'à présent, ça n'a pas passé. <coughs> Maintenant, ces armées, les éléments qui disent taré. C'est bien fait. La loi est en train de leur appliquer ce n'est pas seulement l'opposition qui n'a pas de subvention, c'est tous les partis aujourd'hui à qui l'État ne donne pas de subvention parce qu'ils n'arrivent pas à justifier l'utilisation qu'ils font de l'argent de l'État. Si cette rigueur peut être appliquée à tout le monde, à tous les démembrements de l'État, ce serait une bonne chose. Malheureusement, on l'applique seulement aux partis politiques, ce qui fait que je pense que ça fait une ou deux années aujourd'hui, les partis n'ont plus de subvention parce qu'ils n'arrivent plus à justifier euh, qu'est-ce qu'ils font. C'est dit un pourcentage pour la formation des militants, un pourcentage pour, le euh, fonctionnement du parti, etc. Mais quand on fait l'état de lieu au niveau de la Cour des comptes, au-delà, se sont rendus compte que tous les partis ne sont pas conformes à la, ne sont pas à la loi. Alors, si tu n'as pas le critique, tu n'as pas le critère, tu ne peux pas. Ce qui fait que tous les partis n'ont pas eu la D'accord. Merci, Youssef Salatou. Maître, Moussi. Oui, je voudrais quand même un peu préciser une certaine, chose. Euh, je suis d'avis avec Salatou quand il dit que nous avons, euh, euh, le Nigérien est méchant, mais je trouve le terme un peu trop fort. Moi, je pense que je dirais plutôt que le Nigérien est un peu trop radical. On tire beaucoup sur certains trucs, sur certaines choses, mm. on, sur les défaillances des textes, encore qu'aucun texte n'est parfait. Mais je dois, euh, sur un point, je suis un peu nuancé. Je pense que quand il dit que euh, c'est ce que, j'ai l'impression qu'il a tendance à dire que nous, en notre temps, quand on voulait adopter le texte sur euh, le statut de l'opposition, les avantages, les gens ont été méchants, ils ont empêché à X, à Y de faire ci. Je pense que moi, je préfère qu'on soit dans une logique de capitalisation des expérience. C'est quoi C'est que eux, ils ont vécu la situation. Plutôt que de se cantonner, ok, nous, vous avez refusé, mais aujourd'hui, nous aussi, on ne va pas, on va, parce que c'est comme si c'est la tendance qu'on a, euh, on, a l'impression de vivre, de, d'entendre. De, de, Je pense que eux, ça là, ils veulent que ça change parce qu'ils ont déjà fait la proposition. Ok, mais c'est-à-dire que ça ne sert à rien chaque fois de dire non, non, nous, quand on en a, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas. Je pense que on a vécu et on doit être unanime à dire et à reconnaître que nous devons évoluer. Parce que, parce que je me rappelle au temps où euh, euh, cette loi a été euh, quelque part modifiée, où on devait faire les avantages, les avantages de, et les indemnités du, chef de file de l'opposition. C'est vrai que ça a tiré parce qu'il y a ce, dualisme à l'Assemblée qui est propre à la démocratie. Il y a une majorité, il y a une, une minorité parce qu'en fait, c'est ça, ce n'est pas une création de l'esprit. Euh, c'est une notion, majorité et minorité là, ou opposition, c'est euh, une notion de, des pratiques de la démocratie. La majorité est toujours considérée comme étant les partis qui soutiennent l'action du gouvernement et, par opposition à une minorité qui s'oppose. C'est ce qu'on appelle l'opposition. On a l'opposition est appelée minorité. Enfin, euh, c'est la minorité qui est appelée opposition. Minorité parce qu'elle n'a pas le nombre qu'il faut pour inverser l'action de la mouvance présidentielle qui, se trouve là. Donc, en ce moment-là, naturellement, le réflexe a été que euh, les gens ont tiré, les gens ont dit ceci ou cela. Mais qu'à cela nous tienne, euh, aujourd'hui, l'avantage des Nigériens, Là où je me sens fier, je ne regrette pas là où nous sommes, c'est-à-dire le stade où nous sommes, c'est que nous avons eu cette chance au Niger de tester tous les leaders politiques qui euh, avaient eu le temps de s'exprimer et de proposer quelque chose. Merci. De sorte que, avec ça, je me dis que la raison doit prévaloir. Nous devons revenir à la table, reconnaître là où on a été excessif, là où il faut corriger, de manière que euh, on assainisse, on, on assagisse la, la, la, pratique <laughs> démocratique. D'accord. Merci, maître Moussi. Nous sommes à une minute de la fin de, ce forum. Une dernière question à Maître Lirouana. Est-ce qu'il est nécessaire de placer le chef de file de l'opposition au rang de président d'institution au vu de la situation actuelle Oui, mais les textes l'ont dit, moi je ne veux pas dire le contraire, mais seulement je vais en finir pour dire que eh, mon confrère moi aussi, eh, il a voulu être très modeste euh, pour essayer de, eh, de, nous, faire, de, nous, de nous faire euh, bénéficier de ce que l'expérience du président et en train de le dire par rapport à la méchanceté. Et effectivement, c'est ça. Et c'est pour cela que j'ai dit que du, du, de la désignation institut personnel, on a personnalisé le problème. Aujourd'hui, si le chef de file de l'opposition n'était pas Hama nous pensons que ça va se passer comme ça. D'accord. Merci. C'est pour cela que j'appuie lui, sa modestie a escamoté le vrai problème qu'on vit dans la pratique. Euh, D'accord. Merci, merci. C'était personnalisé. Merci. Donc, nous sommes au terme de ce forum. Nous avons donc, dans ce, nous avons eu comme invité euh, dans ce studio, je vous rappelle, Maître Lirwana Abdraman. Il est juriste. Maître Moussi Boubakar, membre du bureau politique national du Modemfa Lomana. Ousseini Salatou, du président du parti RDN Labizé, euh, de la mouvance présidentielle, <laughs> si on peut le dire. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou. Donc demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.